gonogadir labora cutana zambanir labo fansi gonogadir labora koro talka sindame sanni talka sindame sanni talka izo asindame sanni Bonsoir et bienvenue sur votre émission hebdomadaire Tous à la Fada. Notre sujet jeune d'aujourd'hui sur les élections en cours au Niger. Hier, dans l'émission Tous à la Fada, nous avions évoqué le bilan de la participation et l'implication des jeunes dans le processus électoral, notamment les élections municipales du 13 décembre 2020. La présidentielle, premier tour, couplée aux législatives du 27 décembre dernier. Contribution de la jeunesse pour le bon déroulement des élections présidentielles, deuxième tour au Niger. C'est la question dont va débattre, dont dit en maître d'œuvre et ses invités dans l'émission Tous à la Fada de ce soir. Le 21 février prochain, les 7 millions et demi de Nigériens vont sortir pour choisir un nouveau président de la République du Niger. Le duel est attendu entre le candidat du parti au pouvoir, PMBS Tareya Bazou Mohamed, qui a obtenu 39,33% des suffrages, et l'ancien président de la République, candidat du RDR Tchandji, Maman Ousmane, 16,99% des voix. Chers auditeurs, si vous voulez participer à nos échanges, eh bien vous le pouvez. Envoyez tout simplement vos impressions, vos avis au 80 06 Nous vous verrons le plaisir de les diffuser tout au long de l'émission. Vous pouvez également recevoir nos contenus en envoyant également jeunes, toujours au 80 06 Échange, discussion, musique. Mr. Olivier. Oui, le vieux père. Comment tu vas, mon frère Ouais, je vais très bien. Dieu merci. En forme Très en forme. Super. Alors, de quoi parle le texte aujourd'hui, Olivier eh bien, comme hier, nous avions annoncé avec Ravi, ce soir, nous allons évoluer dans les mêmes réflexions sur Internet et particulièrement sur les réseaux sociaux, eh bien, on remarque de nouvelles personnalités, les activistes et les influenceurs. Hier, on a fait la différence entre ces deux personnalités. La question de ce soir, à vous, chers amis de la FADA, de quoi a besoin concrètement le Niger Des influenceurs ou bien des activistes À la fin, on va essayer d'avoir l'avis de tout le monde et bien sûr mon avis la vie de tout le monde compte aujourd'hui sur cette émission. Merci Dandy. Si Mr. Abdoulaye est prêt, qui assure la technique, moi je suis prêt. Mes invités aussi. On ouvre le bal. Nous sommes présentement à la place en outable, mesdames et messieurs. Chers amis de la FADA, voilà, nos invités du jour, ils ne sont plus à présenter. Nous sommes avec M. Isaka Oumarou. Il est président de l'association Chebero. Monsieur Isaka, nous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Comment vous allez Merci, je vais bien. Super. Nous sommes aussi avec Monsieur Isaka Moussi. Isaka Moussi aussi qui est un ami jeune, un jeune politologue. Isaka, comment tu vas Je vais bien, Dondi, merci. Mamadou Abrugado, comment tu vas Dondi. Les artistes aussi ont un mot à dire en ce qui concerne les élections du 27 décembre dernier. L'artiste polybride avec nous, Amadou, comment tu vas Je vais bien, Dondi. Bonjour. la forme. très bien. Nous allons aussi parler de la contribution des artistes dans ce processus électoral. Quelle contribution de la jeunesse pour le bon déroulement des élections présidentielles deuxième tour au Niger C'est notre thème du jour. Nous commençons par écouter le président du Conseil national de la jeunesse, Ali Ounumaru, dans la structure adressée un bilan sur le déroulement des scrutins. Au micro de Olivier Assogbavi. Le bilan, il est très satisfaisant et ce n'est que le résultat de toutes les actions de sensibilisation, de mobilisation organisées en amont, que ce soit au niveau des élections locales, législatives et présidentielles, jamais on n'a enregistré autant de candidats jeunes. C'est une très bonne chose parce que nous l'avons aussi toujours dit que la meilleure façon de se faire entendre, de changer les choses, en tout cas de bouger les lignes, c'est d'être dans les instances de prise de décision. Et il n'y a pas de miracle. Pour être dans les instances de prise de décision, il faut investir les formations politiques. Ce que nous avons euh, voulu se passer, c'est que les élections se passent dans un climat apaisé. Eh bien, aujourd'hui, quelles pourraient être les conséquences dans la gestion future de l'État Elle sera positive. Il faut la voir dans ce sens parce que les jeunes ont de l'énergie. Les jeunes ont euh, cet esprit innovant. Ils l'ont démontré à travers les différentes entreprises euh, créés dans ce pays, ils sont capables du miracle. Il faut tirer profit de ces dividendes que la jeunesse représente. Je suis convaincu que la conséquence sera positive, en tout cas sur les cinq ans de gestion euh, prochaine qui se dessinent. Et Dieu seul sait, ça va être euh, le déclic puisque euh, ceux qui sont euh, à un certain âge, naturellement, vont partir laisser la gestion aux jeunes que les anciens. Nous ne sommes pas là pour demander à ce que les anciens soient bousculés. Nous sommes là pour dire aux jeunes, apprenez avec eux et démontrez de quoi vous êtes capable. Comment consolider ces acquis ben, Écoutez, c'est à travers euh, la sensibilisation, à travers euh, la, prise de conscience, l'État est une, euh, est une continuité. Il n'est pas question qu'il y ait une rupture de quelque nature que ce soit. Il faut que les jeunes apprennent à assurer cette continuité. Si aujourd'hui en Europe, en Amérique, la continuité a permis à ces pays d'atteindre là où ils sont, il n'est pas question que nous nous soyons exclus de ce processus. Donc, la continuité doit être une priorité pour tout un chacun. Continuer dans le bon sens. En continuant, il faut voir ce qui est bien, consolider. Vous comprenez Ce qui n'est pas bien, il faut, il, faut le bannir et euh, adopter en tout cas des, nouvelles méthodes. Voilà en tout cas ce que nous préconisons euh, à ceux qui auront en tout cas le destin de la gestion de ce pays pour les cinq ans à venir. Monsieur Isako Namade Matkanchina, président du Conseil national Nachida. Année le bilan était Jeune Ifata, Isapé. Jeune Mourde, ils étaient acteurs au cœur des élections. Maintenant, Aran Warandi, Sandiwone au Kambon Ate. To, eh, Dondi Irga Aran Fondogoy, eh, Aigun Irkoima Kandala Kalkane Iri Labose donc uh, président Alio umor nechida lalle année quand le bilan est satisfaisant et ya dinno élection est yankante élection on est ga bisa ir labora le 13 décembre inganda le 27 décembre lalle élection yanno kan ikinman baygite ir labora haikan sergane kinman baigiter niger ti irdi kan election yanno kan furtajey i furara gumo kan furta furtajey furara mo i furara no kambay kulurano i furara furtajey i furno election o solara i furmo election o kechi yangora inga gati mate inga gati candidat bayange me ame sambuza conseiller no kan gati election kaini kaini kala maka wakilai kan gati deputy tara kala maka labu koy tara bumbo furta ji bobo no koi gingai bonda dirawo dira irma nemo alhamdulillah furta dini i koy ga zama matakanci ne irga barada zama sintinano irsabu isa irgiye kan ga mahamadu abdu gado le deuxième tour des élections présidentielles, c'est le 21 février à venir. On l'a écouté dans l'intervention du président du Conseil national de la jeunesse. Les jeunes ont joué leur partition pour le bon déroulement des scrutins du 13 et du 27 décembre 2020. Qu'attendez-vous déjà des jeunes de manière générale pour le deuxième tour des élections présidentielles dont la campagne s'ouvre le 29 janvier 2020 Donc euh, merci Dondi et merci aussi. Euh, euh, comment on appelle ça, à mon prédécesseur. Et c'est vrai, aux élections dernières, nous avions constaté un engagement fort de la jeunesse, une participation pleine de la jeunesse dans ce processus électoral. Et ils ont joué effectivement leur partition et en s'acquittant en tout cas euh, d'un devoir qui est de préserver la paix dans le pays, mais nous estimons que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, pourquoi Parce que jusque-là, à l'issue de ces élections, il n'y a toujours pas de vainqueur. On va à un deuxième tour. Et nous souhaiterons, nous demanderons du, euh, moins à la jeunesse de s'engager plus. Un travail a été fait, mais il faut faire plus parce qu'on attend d'eux beaucoup de choses. Ce pays-là, c'est à la jeunesse de le construire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra construire ce pays. Donc je pense que cette jeunesse doit faire plus parce que on a remarqué des tards euh, à ces élections dernières. Et cette jeunesse qui s'est volontairement engagée euh, pour qu'il y ait des élections apaisées, transparentes et inclusives, cette jeunesse doit continuer cette bataille pour qu'à la fin, que le Niger gagne. Merci Mamadou Abdoukar. On revient à toi dans un instant aussi. Issa Kamoussi, pour des leaders de FADA et structures associatives de jeunes que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut améliorer davantage ou qu'est-ce qu'il faut bannir au second tour En fait, nous avons constaté d'abord euh, que les élections, vraiment, qui se sont déroulées euh, le 27 décembre euh, sont passés dans un climat apaisé. Ce qu'il faut améliorer, c'est surtout la communication. La communication, vous avez vu dès à présent comment les communications sont un peu violentes sur les réseaux sociaux. Avant de marquer la pause, l'artiste aussi certainement a un mot à dire en ce qui concerne les élections à venir. Quelle peut être la contribution de l'artiste pour le bon déroulement du second tour, Monsieur Poli Hybride Amadou. Gaksana kan atise Inga gati irma Salam gumo boraise ira hangan kai kulse. Dotti giga zanka ga alberi ga kan politiko gote siyasa gote iman kan ai borano ai wangutunan dama gase. Mabani bora mu koyi mu sapase me lekkal tune musika zama bani boradu niger rena niger rena de sai sena gana fa ta na fa niger se bora kul ko gin ko gin no kenan hal bore ke ga gangai bondan lekkal tune fu candi candi fora bore mu bai kan ai falan no irgba kuwa kukar rayargo irko banir sai bora hanna da lakkal kanai irko birnin mu lakkal kanai hattara da kusuma <laughs> Nous marquons cette fois-ci une pause, pas musicale, mais l'artiste s'exprime surtout tout la Et tout de suite, la suite. Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, Sur tout la l'artiste s'exprime. Vous vous rappelez certainement de Killer. Vous vous rappelez certainement du secrétaire général de la NACIM. Vous vous rappelez certainement du manager de Hard Disk Record. Vous vous rappelez certainement de l'artiste chanteur rappeur Mr. Killa. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim sur l'émission Tout la Fada du studio Kalangu. Nous avons décortiqué one by one l'artiste sur l'émission. Nous avons une idée de qui se cachait derrière l'artiste Artikila. Aujourd'hui sur cette émission, nous allons parler d'une compétition musicale. Une compétition musicale qui fait rayonner la culture nigérienne. Une compétition musicale qui met en avant le talent, le jeune talent. Aujourd'hui, sur l'émission Tous à la Fada, à la rubrique L'artiste s'exprime, les disant de gentlemen, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler du tremplin jeune talent. Kila, Donny, te souhaite la bienvenue sur Kalangou. Hey. Ok. Comment tu vas Super. tu vas très bien, mon frère Ça va, les gars. Eh, Kila, on était avec toi hier, on a eu quand même une idée de l'homme. Et aujourd'hui, on voudrait avoir une idée de l'art. de, de, on voudrait avoir une idée du tremplin jeune talent. Décortiquons le tremplin jeune talent sur cette émission. C'est une compétition musicale. Musicale. Ok. Parlons du tremplin jeune talent. Tremplin Jeunes talents du Niger et en fait un concours de musique que le label Hardisk Records que je représente ici mhm. euh, a institué euh, depuis 2015. Donc on est cette année à notre sixième édition. Mhm. Euh, le tremplin en fait vise à détecter des jeunes talents, à les produire, à les promouvoir, à les lancer sur le marché en tout cas de la musique nigérienne et si tant est que la chance est aussi avec eux, émerger sur le plan international pourquoi pas. C'est ça l'idée en gros. Waouh Ça fait quoi 6 ans Oui, 6 ans. Chila, nous mm. sommes à la fin, bien évidemment, de cette rubrique. Et on sait que le tremplin, comme l'artiste s'exprime, conscientise. L'année passée, le thème retenu, c'était la Covid. N'est-ce pas mm. alors, tu peux me développer un peu le thème déjà de la dernière édition du tremplin sur cette émission parce que nous avons l'obligation aussi de Si oui, parce que en fait, euh, la finale avait eu lieu le 21 juin passé, 21, juin 2020, et on savait que déjà c'était une période euh, de la grande pandémie. Voilà, de la grande pandémie et tout. Euh, c'était pas forcément un choix euh, de la direction artistique, en tout cas du tremplin, mais c'était en fait une coïncidence. Parce que à la, base, c'est un tirage au sort. Mhm. Et on choisit un thème. Et les artistes sont tombés sur la Covid. Et nous avons décidé, ok, c'est super alors parce que ça coïncide justement avec la période. Et on leur a fait faire une formation d'abord pour les aider à mieux écrire. Et ils sont venus en finale, ils ont produit en tout cas un truc, euh, en tout cas pour ce qui était là ou ceux qui ont suivi la finale, puisque il était fois, distanciation, hein. distanciation oblige, mhm. on était obligé de, faire en fait un Facebook Live de mhm. la finale. Mhm. Je pense que pour ceux qui l'ont suivi, les artistes euh, sont vraiment exprimés sur la Covid, qui est une pandémie qui est encore là, malheureusement pour nous. Mais bon, on fait avec, on fait avec, parce que cette année aussi, ça influe forcément sur le tremplin. Bien sûr. Mais je pense que le tremplin vivra et le tremplin pourra, en tout cas, résister à la pandémie aussi. C'était Articula qui avait articulé un mot d'articulation sur <laughs> l'émission de Salafada à la rubrique l'artiste s'exprime. Sur ce, A À l'instant c'était l'artiste s'exprime sur l'émission Tous à la Fada, l'émission consacrée à la jeunesse nigérienne vous êtes toujours avec nous. Nous discutons sur le thème Quelle contribution de la jeunesse pour le bon déroulement des élections présidentielles deuxième tour au Niger Nous sommes avec M. Isaka Oumarou, ah, président de l'association Chebero. Nous sommes assis ici à la place à nos tables avec M. Mahamadou Abdou Gado. Nous sommes aussi avec M. Isaka Moussi, l'homme polyhybride Amadou et avec nous, artiste, comédien, chanteur, danseur. Parlons à présent de manière franche et assez directe, chers amis jeunes. Monsieur Isaka Oumarou, président de l'association Tchébéro, on l'a toujours craint au Niger. La jeunesse est influençable. Dès qu'il y a tension électorale, c'est elle qui sort pour casser et vandaliser. Dieu merci, nous n'avons pas connu ce genre de situation lors des élections passées est-ce que jeune à partir de ce temps sai ginga fama da ki faham ga bori asbori deno wal matano nedi sanno to abori e dondi irgin fondo goy donc uh, eh, irgi hinigane eh, kam matakan sappo wone yanwo irdi furta jey ina sappa solanda akoy ga bani akoy ga ban bani Lakal tunay kul manti ara kul irga hingane kan ir furtajay isintin ga faham isintin ga faham mo halga no e te banda ay ga kan association ay ina bon fere marga boba te furtajay se furtajay mu faham ga dine siyasa matakan sonda artisto ni dine siyasa imane kusuma dine siyasa imane fitina mamadou abdou vous étiez sur le terrain hein, le jour donc euh, des élections. Vous faites euh, partie euh, des jeunes qui œuvrent pour la paix, partant de OGEP Niger. OGEP Niger qui est l'observateur de la jeunesse pour la paix. Pensez-vous que vous pouvez toujours continuer dans le même sens à sensibiliser la jeunesse pour le bon déroulement du second tour En fait, la continuité de, de nos activités est un objectif et aussi un devoir en tant que citoyen on doit continuer à sensibiliser la population pour que ceux qui n'ont pas compris comprennent véritablement l'enjeu. Et c'est aussi un devoir moral pour nous en tant qu'êtres humains. On ne peut pas, euh, comment on appelle ça, appeler à la violence. On ne peut pas euh, voir qu'il y a des, des conflits latents et les laisser dégénérer. En tant qu'être humain, on doit toujours s'interposer entre les individus pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc c'est ces devoirs là que notre organisation et plusieurs organisations et de la société civile, syndicats, comme Isaac venait de le dire, euh, ont joué. Donc c'est ce travail gigantesque qu'ils ont abattu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus que ces devoirs moral de continuer à sensibiliser pour qu'aux élections prochaines, qu'il n'y ait pas de soubresauts, mais qu'il y ait une véritable sécurisation des votes des citoyens. Bon courage à nous, donc, Mamadou Abdou Gado. Isaac Amoussi. Dans les FADA, ça discute beaucoup, info ou intox. D'aucuns assument l'implication ou non des jeunes dans le processus électoral, au billet de banque, que les candidats sont prêts à investir. Alors, préjugé ou réalité Vous êtes aussi un Vadanche. Vous avez un peu déjà confirmé avec vous que les jeunes ont été achetés entre griffes. L'achat de conscience de la jeunesse. Dendi, je pense que l'achat de conscience ici au Niger, euh, c'est vrai, c'est un fait qu'on a remarqué. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec ces élections. Ça a commencé depuis l'avènement de la démocratie au Niger. Ça a toujours été l'objet ou bien l'arme que les politiciens utilisent pour parvenir au pouvoir. Mais c'est vrai, cette fois-ci, vraiment, là, je, je suis euh, convaincu. Et avec des faits palpables, au Niger, cette année, vraiment, il y a eu euh, un recul, un recul vraiment dans cette pratique malsaine. Il y a eu un recul. Et ça, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, hein. non non. L'achat de conscience a bel et bien eu lieu ici au Niger. Et ça, on voit même certaines vidéos qui circulent là où on, achète des voix à 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, et on prend même, l'achat de conscience diffère. On, peut par exemple vous acheter moralement, on peut vous acheter avec les, billets des banques. Donc, mais en tout Donc cas, vous confirmez ce que je viens à l'instant de dire, aussi. Avançons sur le thème. Non, non, je n'ai pas confirmé, Moi, ce que je vais dire, c'est que cette fois-ci, vraiment, il y a eu un recul. Et ça, je peux vous les garantir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'achat de, conscience hein, avec les, à travers les Mais si on prend de manière générale, les gens ont été. Il y a eu une évolution. Il y a une évolution. Merci, monsieur Motion. On revient à toi dans un instant. Polyhybride. Nous allons dans un instant annoncer la musique. Il nous faut une pause musicale. Mais avant cette musique, dis-moi, pour que deuxième tour am te de banin da lafiya mont artiste jeune cool nan cool kan de jeune go nigeria il faut hin de na hin gete pour que ir élection e o kangoka ka am te banin da lafiya ra matkan de son wora jeune jeune ice be bore se kan faham da kan gote ya de mono matkan jeune ininge bondi gfuro siyasa ra zama ine manne kala ay cool singa hay fo barmai tanke ni go tare kare dinka fura rano ni gidi kan gote gano ni gudu gini mai sanno ci ni sun sanno ma gasa ima ima hanse to kan shi faham din matakul kan ifam ya de mono bore mi ngai bondi gice bore kan gogo bore dai sai du bore kan goce cikin hay hay kul kan kamata in bi se kan hay so on ir fahambo wanda ci mi ir irman kan da bor kan irga ba kan ganan goyo bara ntontan foga sara nir ko hanga musique komo ninno ga subandir sen kuna émission <laughs> il faut de nir gi hinga dan kanganan irla kalem kan don kan kan salan la kalkane ba don kan salan la oh. to ki ki ki appel la paix irin ko hangan so gasi. sécuriser les Sahel. le groupe Soga, mesdames et messieurs, qui accueille Mr. Olivier pour la chronique de l'émission Tous à la Fada. Oli, comment tu vas Je vais très bien. Super, Mr. Olivier. Parle-moi un tout petit peu de ce qu'il faut, euh, n'est-ce pas, savoir sur l'émission Tous à la Fada. Ça va ah ouais, merci beaucoup mon vieux, merci pour l'accueil, merci pour la chaleur et surtout merci pour ton énergie intarissable Dondi mon frère. On est ensemble, on est ensemble. Amis auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et des programmes du Studio Kalangou, j'allais dire bonsoir à vous. L'Internet et particulièrement les réseaux sociaux ont fait naître de nouvelles personnalités. Ces stars d'Internet ont-ils un rôle à jouer dans le développement d'un pays Si oui, selon vous, le Niger a-t-il besoin des influenceurs ou plutôt des activistes C'est la question que je nous pose à la FADA ce soir. Quelqu'un pour me répondre, pensez-vous qu'au Niger, on a besoin d'activistes ou bien d'influenceurs Maman Abdou J'aime bien votre nom, hein, ou bien c'est pas Maman. <laughs> Mohamed Abdou eh, merci, merci euh, Olivier. Et je pense que le Niger, euh, au stade actuel, a besoin de tout l'aider. Il faut qu'il y ait des influenceurs pour faire booster les choses. Mais apparemment, il faut qu'il y ait aussi des activistes. Voilà, alors je passe la balle à Dandy. Ah Donc, très présent sur les réseaux sociaux, activiste ou bien influenceur Qui sait même <laughs> Je me pose cette question, mon frère. C'est grâce à toi que j'ai pu au moins faire la différence entre activité et, influenceur. hier, sur l'émission de la Miss Rim. Voilà, j'espère que dans les jours à venir, tu vas te spécialiser, Dandy. Ouais, c'est ce que je veux faire. Merci, Olivier, pour ce que tu fais pour la jeunesse nigérienne. Merci beaucoup à toi, mon vieux. Alors, au Niger, retenons qu'en 2020, les activistes ont joué plusieurs rôles dans l'organisation des élections. Au Nigeria, ils étaient au devant des manifestations contre les violences policières. En Chine, ils étaient beaucoup plus critiques envers le gouvernement sur la gestion du coronavirus. Au Togo, ils sont plus engagés dans la promotion de la scolarisation des jeunes filles. Quant aux influenceurs, ils ont été beaucoup plus concentrés à défendre les 2000 francs du syndicat des jeunes garçons et à critiquer les Sugar Daddy, une comédie digitale qui a permis aux internautes ouest-africains de mieux vivre les restrictions des libertés imposées par la COVID-19. Alors, si à la base, les influenceurs et les activistes sont des hommes engagés par spontanéité, avec le temps, ils ont inspiré plus d'un et sont de plus en plus sollicités par des entreprises, des structures non gouvernementales et parfois même gouvernementales. D'ailleurs, les partis politiques font beaucoup usage de ces activistes. Eh bien, nous sommes à la fin de cette chronique et j'aimerais quand même présenter mes condoléances aux familles éplorées dans les récentes attaques qui ont touché le Niger. Nous allons clore cette chronique avec une belle note, une note positive malgré tout. Eh bien, la bonne nouvelle est la suivante. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et demain, il fera beau pour le Niger, il fera beau pour l'humanité. Tant qu'il y a le soleil, on garde espoir, n'est-ce pas mon vieux Ouais, give up, tant qu'il y a la vie, comme on dit eh il y aura toujours de l'espoir, Mr. Olivier. Merci à tous et bah, à la semaine prochaine. Merci à toi, Olivier. Dernière partie de l'émission. Tout ça la fada. Notre thème du jour. Quelle contribution la jeunesse pour le bon déroulement des élections présidentielles deuxième tour Rappelons que nous sommes avec M. Isaac Oumourou, président de l'association Tchébero. Lui, c'est Mamadou Abdoukado. Il est avec nous aujourd'hui en ce qui concerne ce numéro. Monsieur Isaac aussi, l'homme polyhybride, ils sont aussi avec moi aujourd'hui. Bien avant, Écoutons la réaction de quelques jeunes au micro de Aïssa Amadou. Bon, l'amélioration au pays, c'est-à-dire c'est la participation de tous, parce que s'il y a beaucoup de gens qui intéressent à la politique, donc il y a beaucoup de gens qui vont se participer. Maintenant, il y a eu beaucoup de jeunes au conseiller, poste de conseiller, les, dernier dernières élections. Il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé, on les a élus, et eux, ils vont apporter leur pierre dans le difficile de le développement du pays. Parce que Ingano Borkangatun, Subaga, d'abord singa hay fote suba donc euh, jeune tagi kantun inga no ga hinga konda labo gine am goy labo semo mo am yeg sambu inga wone eh, jeune ra im kaga goy kanga bisa dottige zam dottige ifarga iga bamo inga im gornango do haywali am amambo Ça peut améliorer beaucoup de choses à ce qui concerne la jeunesse du Niger et les gens de l'extérieur aussi pour voir le, le, développement du pays et les avancées euh, du pays dans les formes bien actives à ce qui concerne les années précédentes et les années à venir. babban ci gaba ne paske abin da zai kama kasa a cikin unguwa an samu samari da suka sa kansu cikin siyasa a unguwarsu babu gadodi sun je sun yi kokowa a meri an zo an musu gada an musu shara kenan daga nan an samu ci gaba kenan maganganunsu zai isa inda ya kamata ya isa a yi aiki À l'instant, c'est donc la réaction de quelques jeunes au micro de Isa Amadou sur l'émission Tous à la Fada. Nous sommes à la fin. Monsieur Isaka Oumourou, est-ce que vous avez des messages particuliers pour les jeunes en attendant le second tour des présidentielles au Niger est-ce que arangondu wasika karanga baram to jene do irto émission au bananta Monsieur isaka wasika mo karanga tese karyon follow ara mazuman de se ganda to abori eh wasika kirga te da giti hal honga kaso irga hafurta jayga imadan ko karze na kan jinga dan kangana election e kango ka hino zam deuxième tour hino bor hinki hinna gamarano donc wokan irga ba inga gati furta jai dan kangana wokan la zai suban lalle amte inga no ga fata resultaira ba irmanu wana mamadu abdu gado Est-ce que vous avez des messages particuliers pour les jeunes en attendant le second tour des présidentielles au Niger euh, Mon appel à l'endroit de la jeunesse nigérienne, euh, ça serait, euh, ça serait celui-ci, un appel fort et impactant, c'est-à-dire fort d'engagement et qui va impacter véritablement ses résultats, qui va en tout cas faire ressortir les véritables euh, résultats. Irman jeune politologue, Isaac un message donc moi j'appelle la jeunesse à plus de rationalité de leur choix. C'est vraiment ce qu'il nous faut et ce qui doit être un pilier pour notre politique nigérienne. L'homme polyvalent, Amadou c'est ton nom. L'artiste va boucler la boucle bouclons les choses avec toi, l'artiste polyhybride. Un message venant de l'artiste, parce que l'artiste est extraordinaire. que dieu bénisse le niger son peuple et son futur président sur ce hey